je, salue encore mon ami et frère, le euh, président Seydou Diouf. Mais peut-être, il a la nostalgie vécue de la commune avec Jacques Peut-être nostalgie Bob toujours. Mais aujourd'hui, quand même, la décentralisation a évolué. c'est le un acteur clé. Parce que notre nous dit, donc nit ki soo bindee tamit il faut assumer exactement contenu texte bi mais pas quand même euh, ay idées yoo générer yeneen débat parce que tey remettre en cause l'existence de ces communes de plein exercice c'est comme faire une régression de 25 ou 30 ans en arrière parce que ces communes de plein exercice sont plus près des populations ñoo gën a jege ñoo xam population ça n'a pas une identité l'identité ne bouge pas tey la commune de Saint-Louis est une commune unique c'est vrai parce que loolu la loolu lañ fa bàyyi moo fa nekk ba tey kenn changé Soit des Kaolack c'est une commune unique Soit des Ziguinchor c'est une commune unique mais nous, nous avons franchi un autre pas dans la gestion de proximité Soit des France vous avez des communes de 1000 habitants Soit des yeneen de y a des communes parce que nous voulons rapprocher les populations avec des moyens mais si aujourd'hui nos communes sont viables avec des moyens je ne vois pas l'opportunité euh, Tasco ou wala euh, à l'orthodoxie de ce qui a existé avant te ñëpp xam nañ ne ba si vous avez maire bu fi falu fa nga nous avons vécu ça avec Mbaye Jacques Diop, nous avons vécu ça avec Ndiawar Touré, nous avons vécu avec le feu Badr Mamayasen. Sen. Donc, lolo, pour être dans ces compétitions-là, euh, je, moi je pense qu'il faut rester euh, en l'état de, de l'existence des communes qui sont dominées des communes de plein exercice de par la loi. Comme si aujourd'hui vous me dites, Sangalkam, euh, en 2011, nous avons une réforme, une deux communes, euh, communautés rurales à deux communes, quatre avons delloo ko si communauté rurale de Sangalkam wala ndakaaru si boppam nañ ko tas dindi dix-neuf communes yi ban maire ndakaaru moo koy nangu wala ban population ñoo koy nangu avec la proximité qu'ils ont auprès de leurs autorités donc je pense que il faut même pas encore ngay wax ñu yokkaat si kawar gi beneen coow boo xam ne amul njëriñ li fi nekk defe naa ne suñ ko parfaire defar ko ba mu jekk jox leen lañ leen war a jox defe naa liggéey bi dina mën a dem te la ñuy bañ naan ville bi du am la ville peut être une notre appellation communauté urbaine de de de Rufisque wala nous ñu ko même ville de Rufisque mais day que commune yooyu ko composé jox ko ay moyens pour mutualiser compétences yi nga a des compétences bien euh, spécifiées euh, dans la gestion de parce que nous avons un problème de gouvernance et d'exécution de cette gouvernance Lors il faut que nous voyons ko je suis en phase avec euh, le président de la République lors de son intervention euh, euh, du 31 décembre. Il a été très clair dans ce débat. Donc, l'autre, ça n'est qu'un débat. C'est pour ça, que je vous disais, euh, des gens de notre camp de prendre position autrement, parce que je pense que nous ne pensons pas politique, ne pensons pas à plaire, pensons à dire la vérité au refus.